Ah, wallaay lu ci état def ba nga ne fiasco. ah état moo signé contrat moom moo moom moo. sëñ Mbaye mhm. Thiam kilifa boobu laata moom. Mansour mhm. Faye. Mhm. beneen kilifa boobu ñu ngi leen di jaar bu baax. Euh, ils ont eu la malchance d'être tombés sur ça euh, d'avoir été les gérants de ces de ce dossier là jëlee mbir ci SDE jox ko CNO CNO bokk ci groupe bu ñoo wax Suez. di groupe français. Euh, sunu sunu sunu lépp jox nañ ko France lepp mhm. loo xam ne amul woon sax au temps de Diouf président abou Diouf même Senghor au temps de Senghor loolu amul woon. le président Macky Sall mooy président bi jël lépp jox France loolu loolu je pense que ñi ànd ak moom mënuñu ko bañ c'est c'est de visu. Mhm. Euh, maa ngay gis waa FH ñu ngi ci croisement Cambérène bi di di préparer bu ma juumul. Euh, defe naa tobogan lay doon wala pont je sais pas pour foofu nga xam ne fa la oto yi bu ñu duggee ci péage bi fa ñuy wàcc loolu nga xam ne kenn xamul ban xalaat la ci àdduna ñoom ñoo ko tey defee ko noonu parce que dañu soxla woon seen gafa ko demander à FH combien depuis autoroute à péage bi tàmbali ils ont gagné ci alal combien dañu ne woon c'est un contrat pour 30 ans signature au temps de Watt mais ma fàttali sénégalais yi ñiy déglu ci ñi ñu ko sañ a wax FH est un dossier qui a été géré par le premier ministre d'alors. Il s'appelait le président aujourd'hui Macky Sall. Donc euh, il non oui il a signé FH. d'accord c'était le président de la République mais le président de la République qui avait tant confiance en des gens dont un PM qui s'appelait Macky Sall donc l'on nous l'a FH, je me rappelle Apix fii ci Bibini bi bi ñuy def lancement. Mm-hmm. Euh, travaux mm-hmm. avec Aminata il y avait le discours de madame Niang Aminata. Mm-hmm. il y avait le discours du premier ministre d'alors. Macky Sall il s'appelait il s'appelait Mon mon remplacé Idriss Seck en 2004. aussitôt après le remplacement les chantiers ont démarré dëkk bi yëpp ne woy Macky Sall dafa rek affaire yi oui mais comment et avec qui et pourquoi. c'est pas pour pour soi-disant que petit Kani, mais la chose s'est confortée ou confirmée Moi que Sénégal sunu lépp sous-région bi nous rek la ñu jox lépp nasaraan ba ci ndox mi dugg sunu biir. Mam mm-hmm. Sidi Mam Sidi vidéo pour Hamni. ni nga tegal mako rek ma am luma Je rek ngir yalla budé am Imaginez à quel point j'ai été surpris de voir que, hein, alors que la haute autorité de santé nous a expliqué dès le 8 août, hein, je vous rappelle, que les vaccins Astra n'étaient pas suffisamment efficaces et que la DGS interdit finalement aux médecins d'utiliser ces vaccins pour nos concitoyens, euh, eh bien, ça n'empêche pas la France de généreusement envoyer ces doses d'Astra, totalement inutilisables chez nous, dans les pays africains qui en, auraient besoin. Comment qualifier cette fausse générosité envers les pays africains Personnellement, je trouve que c'est honteux pour le pays des droits de l'homme de s'enorgueillir d'envoyer des vaccins dans des pays qui n'ont pas les moyens de les acheter, alors qu'elle-même ne les recommande pas pour ses propres concitoyens. C'est-à-dire que ces vaccins ne sont pas bons pour nous, mais ils seraient suffisamment bons pour eux. N'y aurait-il pas là un relent un peu nauséabond de colonialisme méprisant, de suffisance des pays industrialisés envers des pays dits en voie de développement, qui pourtant ont beaucoup mieux géré la crise sanitaire que nous jusqu'à présent. Si vous regardez les chiffres de mortalité, ils n'ont pas de vaccin, mais ils sont plutôt, ils se sont plutôt beaucoup mieux débrouillés que nous, grâce, vous le savez,

ne nit ñi dem leen ngeen ñàqu ji parce que mooy seule solution et cetera jàngkat yi nekk fii yéen ñi ngeen yéen yéen am xam-xam dégg nga li nasaraan bi wax nee na comment se fait-il que ñoom en France seen direction de la santé bi amee mbir mi ne leen bu kenn laalati lii interdire ko foofu mais ñu jël dose yooyu yëpp au lieu ñu tuuri ko yàq ñu jël ko may ko pays africain yi ñoom ñu sunu kilifa yi autorité yi jàngkat yi borom xam-xam taxaw naan ñu wéy il faut que xam nga loolu nu mu tudd hmm. haute trahison ki nga xam ne nag mu ngi lay def loolu li tax ma bëggoon vidéo bi ki lay def loolu nga ne yow moom ngay jox sa ndox bi ngay naan sa askan. Eh. nañ gars yi nañu waxtaan ci xel. Mhm. ki lay def loolu kii jël vaccin yu bon ne dëkkam duñu ko fa consommer jox la ko yow Modou ci am sa kër nga yóbbu sa jabar mooy ñëw tey dala jox ma sa ndox ma gérer la ko mhm. ndox mooy première premier levier de souveraineté ci dëkk. mun nga ma may virgule ci li nga wax rek. <laughs> vas euh, ma emprunté ko ci. Euh, dafa am kilifa. boo xam ne maa ngi koy nuyu Baye Moussa di mag bu fekkee démb ci li ngay wax nii mu ne ma bu njëkk pharmacie yi amoon Sénégal pendant que les colons étaient là Thiès la woon ak Dakar gi toog nañ trois ans. Hmm. ñu benn comprimé. mujj gi ñoom seen bopp ñu ne waa mais dëkk bii. pourquoi xanaa nit ñi duñu feebar laaj ko chef de canton yi xam lan leen tontu mu ne mu ne ñii li ñuy li ñuy dundee ak li ñuy fejoo lépp ñoo koy bay gars yi ne ah kon nag yoon waa ngi noonu pour jox leen feebar ba pare fej leen. mu ñu indi ceeb. yoon waa ngi noonu. maanaam maanaam suñu produit phytosanitaire yi yàq sa mbay def ci ay ay ay engrais yoo xam ne ni waroo ko kii après nga feebar. ñoom ñu fej la. ñu ñu jaay la pharmacie. C'est un pyromane, c'est juste un pyromane. Ah, t'as dit, ils, jouent, ils allument le feu et après ils viennent jouer aux pompier. Ou léegi Légui, ñooñu laaj ñooñu laaj ñun dañoo wax. ñu naan dañoo bëree wax nangam nangam. ñuy laaj suñu borom xam-xam yi nekk fi jankat ya mag yi. na sax loo xam ne faw ñu wax ko. en passant moo la. dañuy dégg parce que nous on est nostalgique de l'ancienne RTS office. ORTS nga xam dañ daan gis suñu bàyyi Maguette Wade ñu ñu ngi lay nuyu parce que daf ñuy seetaan yàlla na yàlla wéral ko allahumma amiin di gis ñoom saada kan mm. ma bàyyi ma xarit ñu ak kilifa ya mel noonu ak ñoom Mamadou Malaye Diop laay laay ñu bu baax ak ñu sa des ñu bëri ñu nekkoon RTS bu baax bi yaayu Pape Malick mm-hmm. ñooñu bu di xool dañu naan ñun ah Mignel Barro mm. grande sëy journaliste <laughs> Jacqueline Fatima mhm. Mhm. beaucoup autant. mais mu ne quand on voit tous ces gens là comme lu nostalgie chaleur humaine ce semblant d'avoir vécu quelque chose de fort. Mhm. mais il y a quelque chose qui qui qui gêne un peu dans ça. voilà c'est quoi. moi que information dans la forme nous ñu ko jox professionnels lañu. Mhm. ya des légendes du journalisme mais dans le fond il n'était pas libre. Mhm. dañ leen doon orchestré orchestrés, leen ils fan la info conformisme. conformisme loolu qui mooy li changé en 2021. moi alpha ou bêta mhm. dina am benn journaliste bu yóbboo ngeen qui ñëpp sonal mais dina am des boo xam xam danaa I don't give a nangam nangam wala mu ne fregew ma ñente ni italien yi di wax ak la sa des mm-hmm. moo la tey Sénégal dafa toll ci liberté mm-hmm. waaye liberté nan mm-hmm. ko te mooy ngi tàmbali ci ndox ndox bi dëgg la ndox normalement waruñu ko ñaata fay facture cher man de sama bos man de sama bos daa doublé ay cinq maa ngi dem dem naa ba fu mu toll nii si presque juróomi junni. léegi te day lu musul am. te day ànd coupure non mais courant. bon de coupure da ngay toog non non da ngay toog ndox am. oui oui oui mooy doo ko consommer de 60 ma fay ñetti téeméeri sax du mat. waaw mu indil ma juróom ñetti junni ak lu teg. xam naa ne internautes yi ñu ngi rey seen. non am na seen eau sàcc la. waaw léegi su ma ko jaaralee léegi commence se fait-il mhm. nguuru Sénégal. ne SDE am problème ñu dund fi ay SDE e. mais il faut se poser la question SDE. E? Mm-hmm. on a mis les conditions pour que SDE am jafé comme nous daan en 2010 2011 ñu ne ñu am kilifa ba nga xamni mo Samuel Sarr on le dira parce que c'est entre guillemets selon les dires de Claire Dorsen. En tout cas, il l'a dit, il l'a incriminé et je pense que peut-être M. Sarr, euh, Samuel sunu kilifa bu euh, tonton ñu je pense que donne pas mouler mu peut-être s'il que aussi c'est pas nécessaire d'en parler mais en tout cas accusation grave Moi, en 2010 2011 les émeutes de l'électricité bi Amfi, am fii ba sunu Imam Sarr ka mm-hmm. ka xeex pour askan bi déggatuma ko nag xam naa dafa jàpp damay wax ne damay wax ne dafa jàpp certainement parce que am aussi dafay jëm mag donc yi moom noonu du ko mën a mais damay damay damay expliqué mu daan àndal peut-être laa gis mais damay wax ne mhm. ñooñu foog ñu génnaat parce que dimbali ñu parce que seen CNO madame Touré ci madame Touré Fama Ba li ci nekk mooy que mooy bi deuxième fois baa ngi ni ma si juum dëgg la <laughs> amiin damay sama waa ji daw <laughs>